auditeurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous quotidien Le Niger sur Kalangou. Du lundi au vendredi, la rédaction du studio Kalangou vous accompagne avec des infos le tout agrémenté par de la bonne musique, la musique du terroir. Je suis Olivier Assobavi, avec moi Salamatou Kadri Sali. Comment vas-tu ce matin ah, Bonjour Olivier, ravi de retrouver pour ce nouveau numéro de Niger sur Kalangou. Au menu ce matin, il y a de la musique et l'information. Nous accueillons dans ce studio notre invité du jour à la personne de Haruna Lolo. Il est le secrétaire général du club de mathématiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Avec lui, nous allons aborder l'intérêt de l'apprentissage de la mathématique par les jeunes nigériennes. Et la technique est assurée par Seini Isaka. À l'édition, nous avons Adama Danwati. Mais tout de suite, le flash info avec Tajisir Ali. bonjour. Bonjour Olivier. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu Aujourd'hui, nous allons parler d'abord du lancement du projet de développement des centrales solaires et d'amélioration d'accès à l'électricité qui a eu lieu hier à Niamey. Avec ce projet, les autorités du Niger visent à accroître la production des énergies renouvelables et améliorer l'accès de la population à l'électricité. Près de 200 localités seront couvertes en fourniture de l'énergie électrique renouvelable pour 750 personnes, estime la Banque africaine du développement qui cofinance ces projets. Ensuite, de la région d'Agadez, euh, il y a eu le... plus de 20 jeunes ont remis lundi un lot d'armes aux autorités pour ainsi renoncer aux actes de banditisme dans lesquels ils opéraient. Le lot est composé, selon l'agence nigérienne de presse, de quatre fusils de type Kalachnikov et d'une importante quantité de munitions. Nous terminerons par euh, le conseil. Hier, euh, la primature il y a eu les travaux de la première session du Conseil national des travailleurs, le CNT. Entre autres points inscrits à l'ordre du jour, le relèvement de l'âge d'aller à la retraite à 72 ans et le document de l'étude sur la revalorisation du SMIC et des salaires minima. Cette proposition de l'âge d'aller à la retraite concerne et les fonctionnaires publics et ceux du secteur privé, explique le Premier ministre. Merci beaucoup pour ce flash d'infos et bonne suite de journée à toi, Alita Gissir. Merci beaucoup. C'est le moment de recevoir notre invité du jour, Aruna Lolo, étudiant en année de licence mathématique à l'université Moumouni de Niamey. Il est le secrétaire général du club des étudiants en mathématiques informatiques. Également président du réseau des étudiants en mathématiques informatiques de l'agence universitaire francophone. Apparemment chez lui, tout sonne mathématiques informatiques. Cher invité, bonjour. Oui, bonjour Olivier. Bah, avant de commencer notre entretien, nous allons nous offrir nous allons bien évidemment vous offrir également cette belle mélodie de Rabé et Benji pour mieux nous installer. ta tana so amma ya hana MC radical Benji toi-même tu sais c'est de la bombe mais sur ce beat tu viens tu bouges ton corps Phenomenal MC radical Benji toi-même tu sais c'est de la bombe mais sur ce beat tu viens tu bouges ton corps oh idan kana wa na san wata ran baka hana ba karfe bum bum bum da ya ole di germo la burma iloba dans cette vie d'amour soleil je pense à toi ma chérie ma ko yaushe na ne gidi na ina jin daɗi kama wata sallah dan tsananin daɗi na yi waka wannan waka yan soyayya mun karfe bum bum bum da ya ole di germo la burma wa za ba faɗa bane ba kai yaro ki babba duniya tabawa ka san wani ne ba zai taba ba wata ran da mu ake yi wata rana ba da mu ba za a yi ko mun mace na gambo ko tsuha ya ishe mu ai tilar mu bar ma ni da mata gurmi ko ta zuka يا راستا فور ون بلوس سيكي بقول الزمان قال لك سانتيري اب كده دبل ملاجا اب كده كاتس يا يارين يا ميكو كاغني كنا سو انتي با اباكا وجاران زا اباكا كيدا يا برمي زاس باكتا كيدا مس يا كو سوين يا ركاي يا مس برمي كو تاس ملاز يا كده كاتس يا اب كده يا قال لك يا اب كده دبل كاغني كنا سو انتي با يا كيدا مس يا كو تاس باكتا كيدا مس يا كو سوين يا ركاي يا Kiramba gurumi, Osupa mm. Kenza Mon cœur fait boum boum boum béa Oh Lady Guerre, mon amour, my loba Dans cette vie d'amour, so yeah, Je pense à toi, ma chérie, my lover. Oh yo, j'ai n'a gagné, qui dit n'a Imagine, daddy, comment, what the gaskiyar tifo <laughs> yeah yeah yeah yeah c'est bien le titre que vous venez d'écouter, un titre de Rabé mais Gourmi et du rappeur Benji. Les deux sont originaires de la région de Zander. Olivier, c'est un featuring qui a bien cartonné et fait bouger aussi la jeunesse nigérienne. Et tu sais aussi que le vieux Rabé est très très connu dans tous les quartiers de Zander. En tout cas, on profite de cette belle mélodie pour passer un coucou à tous nos auditrices et à toutes nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent dans le Damagaram. Chers amis auditrices et auditeurs, c'est l'heure pour nous bah, de commencer cette première partie de l'entretien avec notre invité du jour. Euh, Monsieur Harouna, bonjour. bonjour. La scolarisation, c'est le thème que nous allons apporter avec euh, vous. Nous parlerons des points relatifs à la crise de l'éducation au Niger. Alors, Qu'est-ce qui vous a guidé, qu'est-ce qui vous a guidé à étudier les mathématiques Ok, merci beaucoup pour la parole donnée. Euh, donc je commencerai avec cette citation de Nelson Mandela qui disait ceci L'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour développer un pays. Et donc, euh, partant de cela, et nous avons tous euh, un devoir, un devoir aujourd'hui, au XXIe siècle, d'être ceux-là qui sont aguerris, qui ont une compétence dans leur mémoire, pour faire développer notre cher pays, le Niger. Et nous, nous avons choisi aujourd'hui de nous retrouver dans les sciences mathématiques et informatiques, rien que pour apporter notre pierre à l'édifice de le développement de notre pays. Donc euh, voilà ce qui nous a amené dans ce domaine-là. Sauf qu'on peut apporter sa pierre à l'édifice sans faire de la mathématique. La mathématique, c'est pointu, tout le monde fuit. Vous, vous avez choisi la mathématique. Exactement. Pourquoi ce choix Pourquoi aller là où tout le monde oui, apparemment. comment on appelle ça hein? Je ne sais pas, on utilise un mot, là, on dit la bête noire des élèves. Bête, justement, pourquoi, <laughs> pourquoi donner de, de, la passion, du temps bah, à la bête noire des élèves Ok, et moi, je veux vous dire, je vais vous raconter eh, quelque chose. Mm. Eh, quand j'étais en classe de seconde, euh, une fois eh, l'année terminée, on m'avait orienté en classe de première C. Et là, je me suis dit, ok, parce qu'en première C, vous allez vous retrouver avec sept élèves seulement. Et là, je me suis dit, ok, si c'est dans une classe où il n'y a pas beaucoup de gens et que les gens fuient, peut-être c'est parce que c'est difficile que moi je vais essayer. Parce que c'est un défi à relever aujourd'hui. Et je vous assure, le bac scientifique aujourd'hui, en dehors du Niger, c'est un bac qui est tellement recherché parce qu'on en a besoin des, ingénieurs dans ce pays-là. Hmm. Donc, c'est d'abord un défi à relever. Voilà, exactement. Bah, merci, là, tu nous as dit la vérité. Avant, tu nous baladais avec Nelson Mandela et autres. La crise de l'éducation constatée ces dernières années tous plusieurs secteurs comme les sciences et les mathématiques. Malheureusement, ces deux disciplines n'attirent pas beaucoup de lycéens. Vous venez de le dire. Quand on se retrouve en, en première C, par exemple, il y a sept élèves et on se demande, mais pourquoi on est arrivé là vous avez fait le constat, vous l'avez dit vous-même. Comment vous justifiez ce constat Ok. Et par euh, ce constat, aujourd'hui, c'est parce que eh, il y a un côté que l'État nigérien doit encourager ces, élèves-là qui partent dans les séries scientifiques. Hmm. Récemment, nous avions, euh, eh, eu à faire le 4 février une journée scientifique au niveau de l'université Abdoumouni de Niamey sous le haut parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur. Lui-même, il dit ce qu'il avait attiré chez nous, c'est ce regard rétrospectif qu'on a fait au niveau des lycéens parce que ils ont envie de savoir où s'orienter une fois qu'ils ont le bac. Et aujourd'hui, si l'État nigérien essaye de mettre un accent sur, sur le domaine scientifique, je crois que les jeunes vont partir. Et c'est quoi mettre un accent sur ce domaine-là c'est-à-dire il faut encourager. Il ne faut pas laisser ceux-là qui ont peut-être le bac C, les laisser aujourd'hui parce qu'il a la mention passable, le laisser juste venir, mais il faut l'encourager. Et ça, c'est un appel au niveau du ministère de, l'Éducation nationale, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, pour leur dire que le bac C doit être encouragé, quelle qu'en soit la mention qui va se retrouver au niveau de l'élève. Et en 2021, dans un rapport publié par la Banque mondiale, elle préconise l'enseignement des enfants dans les langues qu'ils parlent au foyer afin de mieux favoriser l'apprentissage. Selon vous, est-ce que la langue d'apprentissage des sciences euh, mathématiques pourrait avoir une influence sur la compréhension de ces matières Ok, donc je crois que pour apprendre les mathématiques dans la langue locale, eh, eh, eh, donc ça veut dire que ça devient quelque chose à... Euh, très facile. Euh, et de plus, de très amusant très amusant pour les jeunes. Hum. Et, mais je sais pas comment est-ce que dans les prochains jours à venir, peut-être dans le futur, si on dit on va enseigner les mathématiques en Roussa, comment est-ce qu'ils vont appeler la racine carrée Mais j'attends, euh, moi <laughs> impatiemment parce que je suis, je suis très obligé de voir comment on va appeler la racine carrée et euh, ça ah, serait excellent. En langue germain ou bien En langue german ou Hausa donc, euh, je crois que s'ils essaient d'apprendre, si aujourd'hui l'État déjà a commencé à mettre euh, des dispositifs pour que les élèves arrivent à comprendre, euh, c'est-à-dire certaines bases à travers les, langues locaux, donc je crois que c'est une bonne marche et nous encourageons. Mais quand même, nous mettons l'accent, nous mettons l'accent sur ce point-là. Il faut, il faut, il faut à ce que la jeunesse soit encouragée quand, et, quand il n'y aura pas d'encouragement, et personne ne va dans ce domaine. Et voilà là où la jeunesse peut, va, à chaque fois, la jeunesse va se dire, OK, s'il n'y a pas d'encouragement, pourquoi aller dans le domaine des séries scientifiques C'est pourquoi les gens aiment être des bureaucrates, mais nous, on n'aime pas être des bureaucrates. On aime être ceux-là qui, euh, pour venir dire demain, on a inventé ceci, on a inventé cela. Et c'est ça qui a fait évoluer l'Amérique, c'est ça qui a fait évoluer l'Allemagne, et c'est ça qui va faire évoluer le Niger, Inch'Allah. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons faire un tour en musique. Et cette fois-ci, nous allons écouter encore un natif de la région de Zender parce que notre police locale aujourd'hui, elle est basée sur la région de Zender. dans les locaux du studio Kalango avec notre invité du jour. Mais avant tout, Sally, dis-moi, que peut-on retenir de cet artiste et de ce titre Auré qui est le titre que nous venons d'écouter. Et eh, Olivier, nous savons tous que dans nos sociétés, le mariage est une bénédiction. De son vrai nom, Ali Oumourou, connu sous le nom d'artiste Ali Achibili, a commencé à monter sur scène depuis qu'il était en classe de 6e. C'est pourtant à travers la danse qu'il fait son entrée dans le monde des arts en tant que chorégraphe du groupe Loketo Band de Zander. Il fut resté un moment avec le, le fameux orchestre Jagaraya avant de créer son propre groupe Zumunta. J'espère que je suis ah non, quand même sur le bon <laughs> Super. En 2003, il remporta le prix de la deuxième édition du Festival national de la jeunesse et intègre ensuite la formation Super Asket du Feu Sani Aboussa. Le groupe de Ali Atibli a remporté le prix d'Angourmo 2007 en traitant de la scolarisation de la jeune fille. Et justement, avec notre invité du jour, nous parlons de l'éducation, l'éducation des sciences. À l'instant, on était en train d'échanger sur euh, d'une manière générale, pourquoi les jeunes s'intéressent beaucoup plus à d'autres facultés que à d'autres matières, à d'autres sciences que les sciences mathématiques Aruna, peut-on dire aujourd'hui que l'apprentissage des mathématiques est aussi compliqué que celle des autres matières Ok, merci Olivier. Et si l'apprentissage des mathématiques est si compliqué, je crois que nous n'en serions pas ici aujourd'hui. Parce que eh, c'est à travers les chiffres et les lettres que nous arrivons à réfléchir. C'est à travers les chiffres et lettres que nous comprenons ce monde actuel. Et il y a toujours, et il y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas plus beau langage que les mathématiques. C'est pas difficile quand on s'applique. Et je fais toujours euh, une blague à mes amis Peul, j'ai dit que s'il n'y en a pas de mathématiques, ils n'allaient jamais compter leurs vaches. Parce que c'est à travers les mathématiques qu'ils savent que ça fait 150 têtes de vaches qu'ils en ont dans leur troupeau. <laughs> Donc, en voilà. Donc, euh, euh, je crois que ce n'est pas difficile, c'est une question mm. de s'y mettre euh, les, les, sciences mathématiques. Et la mathématique, elle elle intervient dans les domaines de la santé parce que récemment, le réseau des études en maths informatique, on a animé une conférence sur la modélisation dans le traitement de la COVID-19 qui a mm. été animé par docteur Aboubakar Meternam et ils ont contribué dans le cas de la COVID-19 parce que c'était même le professeur Saleh Bissot qui avait donné la statistique des nombres de cas qui peuvent être contaminés au Niger. Mm. Voilà. Merci beaucoup. Bah, écoute, avec toi, on sait très bien que tu es un passionné. Et quand on est passionné, tout devient si facile. Une autre question, cette fois-ci, c'est sur le genre. Oui. On observe que aujourd'hui, il y a plus de filles qui sont dans les matières littéraires et plus de garçons qui partent vers les matières euh, scientifiques. Est-ce que le genre a quelque chose à avoir Ok, là je reviens aussi sur l'aspect, mm. euh, toujours avec des petites histoires, je reviens au, 4, euh, au samedi 4 février 2023 où on avait animé une conférence encore, conférence panel, où il y avait la DG de l'Institut national de la statistique. Euh, Madame Aminata Tokobokoy, mm. qui a le bac C au Niger avec mention bien, et que les jeunes filles du collège Mariama, du club, du lycée d'excellence étaient là pour l'écouter. Et je crois que à travers elles, ils ont compris que le côté, le jar le genre féminin a sa place dans les mathématiques, a sa place dans le domaine même de la science. Mm. Mais l'intégrer aujourd'hui, c'est parce que peut-être d'autres n'ont pas vu ceux-là qui ont réussi dans ce domaine. Peut-être c'est pourquoi ils sont trop réticents, ils aiment être des bureaucrates. Mais moi, je crois que je préfère une femme scientifique parce qu'elle va réfléchir, elle va me pousser peut-être à être au-delà de ce que je pense. Et moi, j'ai dit que pour mieux gouverner ce pays, il faut des mathématiciens. Et c'est la preuve qu'aujourd'hui, beaucoup, quand vous prenez le cas du collège Mariama, je crois qu'il y a beaucoup de filles qui s'intéressent aux séries scientifiques. Et ce est là qui sort aujourd'hui, si elle n'a pas été scientifique, elle ne serait pas la DG de l'Institut national de la statistique. Mm. Donc j'encourage les jeunes filles à partir dans le domaine de la science, à aimer ce qu'ils sont en train de faire. Et tout le monde a son destin. Quelqu'un sera avocat, d'autres seront, mais peut-être nous, on sera des présidents de la République parce qu'on réfléchit et on calcule la statistique de gagner des élections. <laughs> Merci beaucoup. monsieur, monsieur Haruna, nous sommes dans un monde informatisé et les sciences mathématiques sont de plus en plus et jamais importantes pour réussir dans le monde professionnel. Quels sont les rôles des entreprises pour augmenter l'intérêt des jeunes aux mathématiques Ok. Euh, les entreprises, je crois que euh, les entreprises qui évoluent dans le domaine euh, de la technologie savent bien que derrière l'ordinateur se cache un langage qu'on appelle le langage binaire. Et ce langage binaire n'est rien d'autre que un langage mathématique qui ne peut être compris que par un mathématicien. Donc ça veut dire que voilà un des rôles des, mathématiciens. Et aussi aujourd'hui, les data science, euh, c'est un mathématicien qui peut aujourd'hui vous dire, voilà les risques, tout ce qui peut advenir au niveau de votre entreprise. Vous avez besoin de le savoir pour ne pas aller dans une perte totale. Pour, bien évidemment anticiper. Exactement. Mhm. Voilà. Donc, euh, tout ça, ça contribue aux entreprises. Et euh, je crois qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui ont fait des inventions que, et même des informaticiens. Là, je reviens parce que ils sont, ce, sont, ce sont des couples, c'est mari et femme, maths et informatique, ils ne se séparent jamais. Donc, euh, des informaticiens qui ont fait des systèmes d'irrigation, d'arrosage automatique, et que je crois que certaines entreprises qui évoluent dans le domaine de l'agriculture en ont besoin de cela. Et pour ne pas te jeter des fleurs à toi-même. Tu fais partie de ces jeunes qui ont proposé aussi des solutions de, d'irrigation. Je pense qu'on aura le temps de revenir euh, là-dessus. Nous savons également que les parents, nos parents, ont un rôle très important dans le choix académique de leurs enfants. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour influencer les jeunes, leurs enfants, à aller vers les sciences mathématiques Ok. Donc, euh, euh, moi, sincèrement dit, mon enfant, je ne vais pas l'obliger à partir de. D'abord, est-ce que tes parents ont eu à influencer ton non, choix Non, non, non. Moi, mes parents ne m'ont pas influencé. Hum. Je crois que, je vous ai dit, c'est un défi. Hum. Euh, quand j'ai vu là où il y a peu de personnes, je suis parti là-bas. Hum. Même si c'est le feu qui va brûler là-bas, on va partir. Peut-être on, est des, on a la protection, peut-être ça, on ne sera pas brûlé, mais quand même on est parti. Et aujourd'hui, là où on est, Alhamdulillah, on remercie le bon Dieu. Donc, euh, je crois que les parents, dans le domaine de si vous voyez votre enfant, parce que eh, les mathématiques ou bien le domaine de la science, ça se voit de le bas âge. L'enfant, il peut être celui-là qui a les capacités mentales de mémoriser, ces, capacités mentales de calculer. Dès que vous voyez cela, je crois que la première des choses à faire, c'est de l'orienter vers les sciences. Et c'est celui-là peut-être qui va être demain un ingénieur et vous amener à la Mecque pour aller dire la baïk, la la baïk. Et c'est grâce aux mathématiques et à la compréhension de ce petit-là. Merci beaucoup. Et au niveau de nos différentes organisations, que faites-vous pour l'enseignement des matières scientifiques en particulier et l'amélioration de la, de la qualité de l'éducation en particulier Ok. Euh, là, vous touchez un point essentiel et qui, et qui m'anime parce que je suis président de l'association des jeunes ENI et je travaille sur euh, une émission dénommée Celle qui Excellence et c'est pour faire la promotion de l'excellence. En tant que jeune aujourd'hui, on doit faire la promotion de l'excellence à travers les cultures générales scientifiques et littéraires. Parce que les jeunes aujourd'hui sont interconnectés avec leur smartphone, mais aujourd'hui, si vous partiez, regardez aujourd'hui ce que nous, en tant que jeunes, on est en train de faire. Si vous regardez l'émission 5 Excellence, vous n'allez pas quitter les 15 minutes sans pour autant être ressourcé d'un certain savoir qui, d'ailleurs, même beaucoup de nos partenaires ont dit ceci. Si nous n'avions pas regardé l'émission 5 Excellence, nous n'allons jamais savoir que 1 trillion est égal à 1 million 10 à la puissance 3. Donc ça, c'est important. Et il y a des gens qui ne connaissaient pas où se trouve la ville de Sicile. Donc tout ça, c'est dans l'émission et c'est parce que les gens sont partis regarder, ont compris l'importance de la culture générale. On doit faire, de, on doit faire en tant que jeune, on doit amener, euh, c'est-à-dire la jeunesse nigérienne à être motivée à travers des, des choses qui peuvent aujourd'hui les épanouir, mais des choses qui vont les épanouir en même temps leur amener quelque chose dans leur tête parce que c'est de ça il s'agit dans l'émission qui Excellence. Merci, beaucoup. Pour le moment, vous êtes dans l'émission Le Niger sur Kalangou et on est vraiment heureux de vous savoir passionné par la mathématique. Aruna, ça sera la fin de cette interview. Vous êtes à la maison au studio Kalangou. Vous, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup à vous, Olivier. Merci à vous aussi. Merci euh, beaucoup, monsieur Aruna. Le Niger sur Kalangou se poursuit. Vous nous écoutez grâce à nos radios partenaires en streaming sur notre site internet studio Kalangou. Dans notre rubrique hebdomadaire, nous parlons environnement. Et eh oui, direction d'IFA Olivier, où les communautés font face aux effets du changement climatique, notamment avec l'achèvement du lac Tchad, les inondations récurrentes ou encore des sécheresses dans certaines parties de la région. Plusieurs activités sont menées par l'université de DIFA et les autorités du pays pour permettre aux populations de mieux s'adapter à cette situation. C'est ce qu'explique le recteur de l'université de DIFA, professeur Ali Maman à l'occasion de la COP27 en Égypte. Des propos recueillis par Nouad Beley, correspondante de la Fondation Hirondelle à cette rencontre rendue au studio par Rahilatou Soumana. L'université de Difa a été créée en 2014 sous la thématique euh, écologie environnement. Donc euh, la volonté du gouvernement du Niger, c'est de disposer d'une institution qui peut former les cadres à tous les niveaux pour euh, assister les communautés locales dans la lutte contre les impacts euh, du changement climatique. L'université de Jifa se trouve dans le bassin du lac Tchad, qui dans les années 70 euh, avait jusqu'à 25 000 km de surface couverte d'eau. Mais sous l'impact des changements climatiques, il y a eu une réduction de plus de 90%, ce qui fait que présentement, les surfaces couvertes en eau ne couvrent que 2500 km2. Donc, euh, cet impact très fort impacte fortement les modes de vie des communautés locales. Ça a contribué à rendre vulnérables les écosystèmes et tout le bassin de la Tchad, ce qui a abouti euh, à l'explosion de l'insécurité créée par la secte Boko Haram. Alors, quel était l'objectif de l'État du Niger en créant cette université à Difa La contribution de l'État du Niger, c'est d'ouvrir cette université pour non seulement former des cadres de niveau supérieur à même euh, d'apporter leur contribution significative mais aussi assister directement ces populations locales qui sont directement sous l'impact négatif de ce changement climatique euh, à travers euh, des sécheresses répétitives, mais aussi la désertification. On a assisté à une montée des eaux de la rivière Komadougou-Yobé vers la fin de l'année. Est-ce une conséquence du changement climatique Effectivement, il y a eu, si on peut faire un petit rappel, euh, des fortes inondations en 2012-2014, ce qui a entraîné des pertes énormes des productions agricoles. Donc ça a impacté les communautés rurales. Comme vous venez de le relever, effectivement, euh, en 2022, euh, en novembre passé, il y a eu des fortes inondations qui ont englouti une partie de la ville de Difa, mais aussi les villages euh, le long de la rivière Komadoudou. C'est un impact, c'est depuis le Nigeria jusqu'à Difa. C'est effectivement l'impact compte tenu du déboisement le long de cette rivière donc, euh, ce qui a amplifié les ruissellement, le lit ne pouvant pas contenir euh, toutes ces eaux qui ruissellent, il y a eu des épandages, ce qui se traduit par euh, ces inondations, avec des conséquences économiques très énormes pour les communautés. Quelle est l'implication de l'Université de Difa dans la lutte contre le changement climatique dans la région L'Université est impliquée à travers euh, non seulement les activités de formation, renforcement de capacités aux acteurs du milieu rural, les jeunes, pour euh, développer des entreprises, euh, l'entrepreneuriat des jeunes par exemple, l'université est impliquée, mais aussi la restauration des milieux dégradés sur le terrain, les terres agricoles, les terres pastorales, les terres forestières. L'université est également impliquée par rapport à la restauration de ces milieux de vie. Dans la zone de Difa, les milieux de vie, ce sont les cuvettes oisiennes. Ces cuvettes sont menacées d'ensevelissement par des dunes vives. Et là, l'université eh, contribue en assistant ces populations par de bonnes pratiques pour fixer ces dunes en vue de préserver ces cuvettes oisiennes, donc garantir euh, ces productions agricoles au bénéfice des communautés locales. Amis auditrices et auditeurs, Merci beaucoup, Relatou Toussoumana pour ce beau reportage. Merci infiniment à Raïla qui nous a permis, en tout cas, de partager ce moment environnemental dans, le, dans les studios du studio, dans les locaux du studio Kalango. J'y arrive infiniment. Amis auditrices et auditeurs de la musique, pour vous accompagner dans ce rendez-vous, le Niger sur kalango Et celui que nous allons écouter, je sais que vous l'aimez déjà. Ah ouais, Olivier. sedani sedani ni, sarki. Baddai sedani da sedani Sai da ni, sedani da sarki. Baddai sai Komi baddai sedani da sedani Kuma batta nisa da ni. Batta nisa sedani Ita bata sai da fata shi sai da ni abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi sai ta ce sai da ni sai da ni ni ni fata yi sai da ni sai da ni sai da ni ni ni yi sai da ni komi fata yi sai da ni kuma fata ni sa da ni ita fata shi sai da ni sai da ni babanki bai sani mamaki ba sani ki ba sani ba amma ke kin sani kin san na so ki na san da so ni be ke za ki cece mu ke za ki ce musu ke za ki cece mu ke za ki ce musu ba za ni cuce ki ba shagali shagali dali da ke za mu shan shagali kamfani kamfani kamfanin kamshi zani kai kike sha shagali bar su su yi bar su su yi baby kowa na da aikinsa lokaci lokaci ya kai kuma alkawali ya cika komi batta yi sai da ni batta yi sai da ni kuma bata sa da ni bata sa da ni ita bata shi sai da ni bata shi sai da ni abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi sai ta ce sai da ni sai da ni ni ni ba ta yi sai da ni sai da ni sai da ni sarki ba ta yi sai da ni komi ba ta yi sai da ni Denis est le titre de la chanson que vous venez d'entendre. Olivier, la chanson là, il a dit ça, il a écrit ça même pour sa femme. De son vrai nom, Moubarak Issoufou Umoru, connu sous le nom de Barakina le guide. Il a été la révélation musicale de l'année 2017. À travers sa maîtrise du rap, de l'afro-trap, trap, house, de beat il est l'un des artistes urbains les plus célèbres du Niger. Récemment, Olivier il a créé son propre label de production, Musikina Record, en raison du manque des promoteurs au Niger. Puis devient le premier artiste signé avant d'ouvrir les portes de son studio à plusieurs jeunes pour les enregistrements et arrangements. À présent, Sally, faisons un tour en région. Oui, Olivier, dans la région de la région de Zander, beaucoup de femmes vivent quotidiennement sous le joug d'une croissance superstitieuse appelée communément en langue Hausa Mata Masufarin Kafa. J'ai bien prononcé, j'espère. Ou femme porteuse de poisse. Le poids de cette pratique dans les régions Hausa influence la vie de couple de ces femmes. Que pense la société de cette pratique les détails dans ce reportage de Mustapha Mamansani qui est allé à la rencontre de quelques femmes victimes. Dans la région de Zender au sud-est du Niger, certaines femmes vivent au quotidien le poids d'une pratique locale appelée communément en langue Hausa qui signifie littéralement en français les femmes aux pieds blancs ou femmes qui portent la poisse. Cette image s'illustre notamment dans les mariages voués à l'échec ou quand un mari est frappé par un malheur, comme en témoignent ces femmes victimes j'avais un mari à Magaria ils étaient en route pour un rassemblement politique à Zender quand ils ont fait un accident ma co a dit que ça fait 20 ans qu'il l'a épousée il n'a jamais fait d'accident c'est quand il m'a épousé que ça lui arrive il avait un contrat et il a perdu son travail elle a dit que depuis qu'il m'a épousé, j'ai amené la poisse la maison et il a perdu son travail. Ces discriminations à l'égard des femmes sont liées à l'attachement de certains hommes à des principes culturels superstitieux, estime le sociologue Mamansani Rufai. Cette pratique est largement répandue dans les sociétés nigériennes, en particulier chez les Hausa, même si on a tendance à voir une évolution positive de l'attitude de la population, mais quand même jusqu'à présent, dans certains milieux conservateurs, cette pratique cette croyance des femmes qui portent la poisse est une pratique qualifiée de superstition par certains et d'autres y croient fermement. C'est un mythe dans notre société et de ce fait, euh, moi, je ne le crois pas. C'est comme un mythe réel car cela c'est plusieurs fois avéré juste. a vu trois jeunes filles dans une même famille, après leur arrivée dans le foyer, leurs maris qui possédait un certain nombre de biens ont été frappés par le malheur. Ils sont devenus appauvris. Un prédicateur musulman pour sa part rapporte que cette pratique relève du shirk, un grand péché en islam. Imam Sani Hassan. C'est interdit en islam. Donc les femmes sont des créatures d'Allah, elles ont des biens, elles sont incapables de vous apporter du bien ou du mal. Au XXIe siècle, beaucoup de femmes sont victimes de cette croyance des femmes qui portent la poisse, appelée en langue Mata Merci Mustapha Mamansani que nous retrouvons du côté de Zender. Mustapha, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça se passe à Zender Et la fraîcheur, la poussière, tout ce qui va avec Ah, ça va, on gère un peu. Bah, super. Salam toi, des questions pour toi Oui, bonjour, monsieur Mustapha. Bonjour, salam Nous, on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à traiter ce sujet D'accord. Euh, retenons que cette suspicion est très ancienne ici à Zender. Moi, je la connaissais depuis longtemps. Mais donc, euh, comme par hasard, un jour, euh, dans les causeries entre amis, donc quelqu'un m'a fait euh, cas d'une euh, d'une femme qui a tué, entre guillemets, deux épouses, deux maris. Euh, quand je dis tué, pas assassiné, mais deux personnes qu'elle avait épousées étaient décédées, quoi, l'un après l'autre. Donc, du coup, elle est, elle est pointée du doigt comme une femme qui porte la poisse, quoi. Donc alors j'ai essayé de dissuader nuit mais en vain. Alors voilà ce qui m'a poussé à réaliser le reportage. Euh, dans lequel j'ai interrogé des marabouts et des scientifiques pour euh, le témoignage que vous avez suivi. En tout cas, on l'a suivi, on a écouté bien évidemment ces intervenants et vous-même, vous venez de le dire, c'est quelque chose que vous connaissez il y a de cela très longtemps. Alors, on est face à une nouvelle génération. Que pensent les jeunes, garçons comme filles, sur cette euh, superstition Il y a gens qui croient, il y a des jeunes qui y croient il y a beaucoup qui croient, surtout ceux qui sont analphabètes là, parce que euh, euh, aujourd'hui que la scolarisation est en train de gagner du terrain, donc ça commence à partir. Mais il y en a encore qui gardent cette, euh, cette même idée, cette ancienne idée. Et a-t-on l'espoir que Matam Soufarin Kafa finira un jour oui, on peut avoir, on, peut fonder espoir parce qu'aujourd'hui les marabouts font du travail, les scientifiques le font et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la scolarisation qui continue, donc euh, je pense que ça va, ça va finir. Bah, merci beaucoup. Vous aussi, vous faites un excellent travail à travers euh, ce reportage. Nous espérons que ceux et celles qui nous ont écoutés bah, ont bien compris euh, de quoi il s'agit. Merci et bonne journée depuis Zender. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est l'heure du sport et nous retrouvons notre chroniqueur du jour, Adam Sariou. Adam, bonjour. Bonjour, Salamatou. Ah, cool, ça va. Et Adam, qu'est-ce qui se passe du côté du championnat national du football Oui, Salamatou, la Super League a repris après une trêve euh, liée à la participation du Niger au champ. Hier, euh, il s'est joué la 11e journée avec deux matchs au programme. Et Adam, rappelez nous les résultats des matchs euh, de Spiti. Alors, euh, l'AS Nigelec et l'AS GNN se sont quittés sur le score de 1 but partout. Et sur le score de 1 but partout, bien sûr. Et l'USGS et le JST d'Ottawa a perdu sur, la pelouse de, sur sa pelouse 1 but à 0 face à Liberté Football Club de Niamey. Ce soir, l'AS. Euh, Fan jouera contre Ice Police, Olympique FC jouera contre l'USGNN, Espoir FC de Zender jouera contre Akukana Darlit, euh, le Jongorzo FC jouera contre le Sahel Sporting Club. Et Adam, quel est le classement provisoire de ce championnat à la 11e journée Oui, l'ASFAN est en tête avec 20 points, l'ASGNN deuxième avec 18 points, l'USGNN avec 17 points. Alors, dans le bas de tableau, nous avons Akokana FC d'Alit avec 10 points, Espoir FC de Zander avec 8 points et Jongorzo FC de Maradi avec 4 points. Sur la fin de cette chronique sportive, Salamatou, au plaisir de vous retrouver pour un autre. Oui, merci beaucoup, Adam. Mais moi, j'aimerais aussi ajouter quelque chose que par rapport à Jean Gorjo, FC de Maradi, ils ont aussi des matchs de retard qu'ils n'ont pas joué aussi. Bien sûr, ils ont des matchs en retard. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Adam. Merci. Après ces infos sportives, nous allons vous faire découvrir le portrait du jour. Celui que nous allons découvrir s'appelle Abdul Wahab Isaka, un ressortissant de la commune de Dankassari, résident à Gaïa comme activité économique. Olivier, il échange des, objets usés métalliques ou plastiques contre l'autre objet neuf. On l'appelle communément mais Alewa. Cette activité lui permet d'être financièrement indépendant et de subvenir aux besoins de sa famille. Ramatou Issa Wanke nous dresse son portrait.

yana ganin irin mu yana sai da muna yana amfani da kudaden shi gwargwadon cewa shi ba zai iya tashi ya je ya kai ba sai dai idan ya ga irin mu ya bashi kayan shi ya je ya abin su tunda shi aikin shi ne kuma yana iya sai da su kowane lokaci to duka ba wanda ba mu amsa muna ansa kuɗi muna amsa karhe aluminium muna amsa karhe baki da kuma falau da sauransu to yara wani zai zo da gwangwanin maltina wani zai zo da gwangwanin madara wani na tumati wani kuma zai ɗauko abun fancin takalmi da dai sauransu zai na zo kuwa suna kama da muku yaro kana bashi dan bamban da zai kuma makin kai je da mamati karafuna sauran muna yin rodi da su idan aka su gidan inji zai mai da su rodi ne rodi ga na gini shi ake da shi nombre les avantages don Abdul Wahab a bénéficié depuis qu'il a commencé cette activité il y a un peu plus de 4 mois alhamdulillah gaskiya ni na samu abubuwan da nake so cikin shi da gwargwadon hali tun da dai haraka ce ita cikin ta ba lebaranci kun ba takwara lokacin da ka ga dama ka hita lokacin da ka ga dama ka hita kuma lokacin da ka ga dama ka dawo ba takwarawa cikin ta gaskiya kuma alhamdulillah gwargwadon hali ni ina samu abin da nake ban bukata ta cikin ta da yake ban jima cikin shi ba ba cikin shi na yi aure ba eh saboda wannan aiki a takaice yanzu ina ce ina da fata hudu da yan kwanaki da fara cikin garin gaya cependant il souligne que les inconvénients ne manquent pas aussi matsalar dai bata huce dai ba irin wadda wani ya gani ka ya maka bugun kan abun gashi ce wancan barawo ne ko wancan kaza ne in dai akwai matsala da cikin shi ita ce muke fuskanta gaskiya mu kuma dai ga namu gani neman abincin mu muke ciki tunda sai in kila wanda za a ci ma barawo wanda ke zaune bai tashi aikin nema ba amma matuƙa kana shi kana bauta da dans certains quartiers de Gaïa, comme le quartier de kurai certaines femmes apprécient l'initiative on a l'habitude d'échanger des fers des chaises des vieilles chaises des canettes vides lui il nous donne des marmites des bonbons les enfants prennent les bonbons, des arômes, parfois ils nous donnent même de l'argent. Comment se fait l'échange Un kilo de fer, de c'est 100 francs. C'est très pratique parce qu'on n'a même pas besoin d'aller au marché pour acheter des choses comme les marmites. Tellement je viens de changer. Ma vieille chaise rouillée, j'ai récupéré une bassine. J'ai l'habitude de faire ça, d'échanger ou de récupérer l'argent quelquefois. J'ai, j'ai même pas un sou et quand je vois les... Mais allez voir il viennent, je les donne les vieilles choses et quelquefois ils donnent de l'argent. Si tu veux de l'argent, ils vont te donner. Si tu veux des bassines, copes, tout ça, ou même des bonbons pour les enfants. À Gaïa, le commerce des jeunes comme Abdelwahab Isaka est un facteur qui permet de lutter contre la pauvreté et le chômage. Dans l'espoir que ce portrait vous inspirera, nous vous amenons en balade musicale. Olivier, on ne bouge pas, on kiffe et on revient. On kiffe. le titre de la chanson que nous venons de kiffer. Ce titre a été composé par euh, Abdurrahman Garba dit Abdou Tambalio, qui est un chanteur, artiste, auteur et compositeur nigérien de Zander. À 55 ans, l'artiste traverse le temps avec ses belles mélodies. Selon les informations recueillies sur sa personne, il a commencé la musique au collège avec certains de ses Amis. Il dirige le groupe Diagaria Band de Zander et compte à son actif trois albums. Le Niger sur Kalongo s'est poursuit. Les femmes du studio Kalongo sont à la portée pour la rubrique Loti. Et aujourd'hui, elles nous proposent un sujet sur l'allaitement maternel. Beaucoup de femmes allaitent s'inquiète, allaitante s'inquiète lorsqu'elle découvre qu'elle attend un autre bébé. Par inquiétude, mesdames, dans ce lot, nous vous, allez euh, vous allez découvrir qu'il n'y a aucun danger d'allaiter un enfant en état de grossesse, en état de grossesse plutôt. Écoutons Rafik Rakia Arimi et Samira Rouafi. Lotzi. Lotzi. Lotzi. Así Kok kok Assalamu Nadia gono. se ayi a yi di dibo ni Nadia. Jam, te musu i ifo no duni. Nadia gunda no gaiga. Susu n'o ayi na bai kangai koi kursan biya. Ngamo, wai bare loktara na dahiran da ise. Kan niwo loktor no irkoi sai ki ise ifo na igite. Ai gonda a tikiri handu iya ize. Kan ai goga nanan di. Mata na igite. Son nan heno, nan heni ba ni ma. Son ci ise. Ni izo, fafa ko nono ni goga no wal mata no. <laughs> Oh, fafa kono na igo gano. Ifa seno ne hawo dini. wa aigo ka wadin bo. Ni him gin lakalo kanan dino jina. Ni izo kango ni se dawan kango ka da irkoi ba hai kunno si duwai. Ba kan se gunda ta gika. Nyangai mahim gin gai lakal tunan di kan sai igo na nan di. Zankai lokta sine kala. Ba da gunda go wai boga. A gihin gin izu kai na nowa kala mu kan kwaciya si ba wa ne. Wadin ganan wa kan gine colostrum kan ga ci wa albarkanta am dugin margu hai ta gyo kan sai. Nadia. matano ya dinga tera ayo wato kul nege gima igine boy bor gunda koyo da gonda izka gona di. kul izo dinga te gunda kar igine kan wa lalono ya dinga nadiya irko sai aifa ba ne musai san barkasin da lakkal haya kan ma bogai sobe gici sanni yan daino da har yanki banga da ingai bonga da dainin din izo akan goba ni samai nigi hinga no awa matkan ni goga na seson amma za kan ni izo a bisan da iddo a himano ni mu da ngase ngwari zu kai ni kai ne yankan sitin ya ci ne amsin tinginwa ni ba gani ai ma no ngwaro kai gogan wa a a ai man ni yadi ne ni him sinti na sai da koko koko yan wal mo labtan da yan ya ci ne kan sitin a ai faham wadinu wa ai gihin gate hey gorgasin wallahi nin tane zuman daibon ai sabu gumo ai ga kwaik dai kan nike isi amma masi batufa amma wago wasa din da di hinai musu musu dai no haya kulik sintin da din izo ne siyan odo ni mazan kai lokta gai ha ya maryan im ye ga faman dinise ngwari fodum no ni himgin izo no am doga beriga han baniga suba suba da ai koi loktor kwar ne se ngodo ai ga te bor sintinai nodin loktor kwarara hey gorga sinai sabuni se ai goga ye ai goga ma ko cha goga he zanewo ai koi beri <laughs> nya hara kal sugu <laughs> to ai sha sabai guzo koi ai goga batu daino ai fuko koyo maka ai labaro to da se ai goga bon han bo matka sannu sanbunda hey asindi na kufa Femme du studio Kalangu pour ces moments de conseil. Sali, on avance Oui, on avance avec la rubrique euh, culture linguistique avec notre chroniqueur Alassane Abdou. Et le mot du jour est cortège. Monsieur Alassane, bonjour. Bonjour Salamatou, bonjour Olivier. Que peut-on retenir, que doit-on savoir du mot cortège Merci beaucoup, j'ai choisi ce mot parce que hier, euh, de passage, j'ai vu un groupe de jeunes qui discutaient. il y a un qui a vu euh, pas mal de charrettes qui sont alignées et qui a dit à ses collègues, venez voir, ce cortège de charrettes. On lui a dit non, c'est pas de voitures de militaires. Nous, pour eux, quand on dit cortège, c'est des voitures qui sont alignées. Donc, le cortège, c'est quoi Vous avez fait des recherches pour moi. Oui, parce que c'est important d'expliquer sur quoi ce cortège-là. On a dit que c'est un mouvement de personnes ou de véhicules, ou de véhicules, ça peut être des personnes mhm. ou de véhicules qui avancent en fil. C'est aussi l'ensemble de personnes qui en accompagnent une autre lors d'une cérémonie en particulier lors des funérailles ou de mariages. Ça peut être également un groupe qui attend ou accompagne une personne importante ou un personnage important si vous voulez. Donc, comment, comment ça se fait Comment ça se fait Le cortège doit être composé, s'il s'agit des mariages, hein, parce que d'habitude dans les mariages aussi, il y a des cortèges, même si les gens ne, ne le savaient pas, euh, le cortège doit être composé des personnes les plus proches des mariés ils les accompagneront au moment de l'entrée comme de la sortie, quand on va à la mairie, quoi. Euh, et il est donc composé des mariés, de leurs parents, de leurs témoins, des enfants d'honneur. En premier lieu, le marié au bras droit de sa mère. Alors, en Zarma. Rapidement, Anzarma, Matkin Kida, Bourgma Boregine, hey, soyez cortège no wakaya. Cortège yakine, cortège y tu bourgine cortège, mais faut cortège. Soye mote gochergana. Gochergana.

Merci beaucoup, Monsieur Alassane Abdou. Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez nous envoyer les mots et les expressions dont vous souhaiteriez avoir les significations en langue française, Hausa, Zarma, Tamashek et Fulfulde au numéro 82 89 89 64. À présent, retrouvons nos auditeurs qui nous ont laissé des messages. Je m'appelle euh, Sani Madougou, résident à Gaïa. À travers le studio Kolongo, il y a des informations que dans les médias publics, euh, tu n'as pas l'occasion de les entendre. Nous saluons également toutes les personnalités du studio Kalangu qui ne fatiguent pas de soutenir euh, la population en général et la jeunesse en particulier dans leur démarche. La famille, euh, c'est là qui connaissent la tête de San Madougou général, vraiment, je le salue. su ba al'umma fahimta a dinga ziyarar juna ya dosa dai ina gaida sai can nyamai kuma akwai na lawali amadu ina nan ina gaida shi ni suna na mamman kabiru abdu mazaunin garin arliti ne a hahan garin arliti ne kuma bisa ga tsarin da studio kalango take yi gaskiya muna jin daɗin shi sosai saboda yawanci duk abin da suke yi abubuwa ne wanda suka shahi rayuwar yau da gobe ta kowa da kowa duk wanda zai saurare su zai ji abin kamar yana taɓo shi kamar misali in ka ɗauki ka'yan shaye-shaye abubuwa ne wanda sun zama ruwan dare presk ko ina ne kuma ba mata ba maza ba yara to wannan abin su muke so a ƙara sa mana hannu cikin shi a ci gaba da sensibilizan mutane? Salamu alaikum sunana Zara Bagale. Ina jin daɗin shirye-shiryen studio Kalangu musamman ma irin labarai da suke yi a kodoshi masu ƙayatarwa da kowane harshe da muke ganewa. Na ji daɗi. Ina gaida Hasiya a Dubai. Ina gaida Maryama a Dubai. Eh sunana Siraji Musa Nafiu a nan garin Difaniki. A gaskiya muna sauraron Kalangu sosai sosai. Lokacin da na karatu ma a Yamai kullum da abokanai na muna saurari. Da na dawo gida ma kuma ban kwasa ba. Surtu na an sai wannan na samun labaru na cikin ƙasa gabaki daya kuma ina mika sakon gaisuwa ga wannan abokanan na anya mai wanda muke saurare tare kamar su Musa Hamidu Amadu su Zarami to sunana Adamu Ibrahim Mudi 'yan garin Difa. Gaskiya muna jin daɗin shirye-shirye da Studio Kalangu take yi surtu abin da ya shahi labarin matasa na tsakanin Subdu da Lahadi. Inda hali muna bukata jihar Difa bare bare sun yawa kenan da a ce a rinka yin labarai da da barbarci wannan abu ne mai kyau. Ina maika gaisuwa ta da duka famin wanda suke garin Yame da yan uwa amannan arziki da suke garin Zandar. Amis auditrices et auditeurs, vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos salutations en messages vocaux au numéro 82 89 64 peu importe la région, le département, la commune dans laquelle vous vous retrouvez. Eh bien, c'est le moment pour nous de nous dire au revoir, mais on ne peut pas se quitter sans écouter bah, ce qui va se passer dans l'édition de ce soir. Et Rafika Ataer est là dans le studio. Rafika, bonjour. Bonjour Olivier, comment ça va Ça va, Dieu merci. Alors dis-moi, de quoi on aura à... De quoi on aura au menu dans l'édition de ce soir Eh bien, Olivier, dans l'édition de ce soir, nous parlerons de la rencontre ce matin entre des acteurs de la société civile du Niger et du Nigeria. Cette réunion en vue de la création d'une plateforme contre l'extrémisme violent dans les deux pays. Ensuite, à Gaïa, les forces de défense et de sécurité et les chefs de village se sont réunis aussi pour faciliter la collaboration entre FDS et population. Plus de détails, bien sûr, à 17h. Et dans le magazine, nous découvrirons comment se passe la cohabitation des déplacés et des autochtones dans la région de Tilaberi. Ça sera tout pour le moment. Rendez-vous à 17h pour la grande édition. Mais, prochainement, il faut nous trouver un peu de culture, un peu de joie, un peu de sport, parce que ça nous manque quand même, Rafika. <laughs> Merci beaucoup, Rafika Nous profitons aussi pour remercier toutes les équipes qui nous ont, qui ont contribué de près ou de loin dans la réalisation de cette émission Le Niger sur Kalangour. Merci également à notre chef d'édition, Adama Dawaki. La technique a été assurée par Seni Isaka, sans oublier tous les journalistes qui ont intervenu dans la préparation, dans l'élaboration, tous nos correspondants dans les régions. On vous dit merci infiniment. Le rendez-vous est pris pour demain avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de détermination. Mais avant tout, prenez soin de vous et très belle journée.